Ciné Droit Libre est installé à Niamey. C'est la première édition. Il faut maintenant que le Niger puisse adopter cette plateforme qui est une véritable plateforme d'expression de la jeunesse pour la promotion des droits humains, pour l'éveil de conscience, pour la promotion de la démocratie il faut que au programme nous avons donc des projections de films. C'est que la particularité de Ciné Droit Libre, nous ne diffusons pas les films juste pour les diffuser. Les films sont tout le temps suivis de débats et nous avons des films sur la thématique qui est la lutte contre l'extrémisme violent, des films comme Boko Haram, les origines du mal, des films comme Salafiste, des reportages sur l'extrémisme violent, des films comme euh, Thomas Sankara, des films sur Cheikh Anta Diop ou encore des films sur l'insurrection au Burkina Faso, ce film qui s'appelle euh, Une révolution africaine, les 10 jours qu'on fait chuter Blaise Compaoré. Donc il y a autant de films suivis de débats, des jeunes réalisateurs vont être formés à la réalisation documentaire, mais aussi au traitement des films sur la thématique des droits humains. Il y a aussi un concert euh, qui sera donné par le parrain de cette première édition, smokey le vendredi 26 mai au Centre culturel Umaru Ganda. En plus, c'est gratuit.